Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'appel du président de la République euh, sur euh, le clin d'œil qu'il a instauré pour que euh, dans chaque quartier, que tout le monde s'implique pour que le quartier soit propre. Donc aujourd'hui, dans son calendrier, nous sommes, nous, sommes, sortis pour pouvoir balayer tous les coins et recoins de la Sikambao, qui existe dans la commune de la Sikambao. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour faire le set-setal de toute la cité. Euh, comme vous le voyez, tout le monde est impliqué aujourd'hui au niveau de la Sikambao et au niveau du Fora. Euh, nous sommes là aujourd'hui avec les jeunes d'abord de la PR qui, se sont, qui, ont, euh, qui ont vraiment mis tout pour que cette journée-là soit effective, effective du moins. Mais aussi nous sommes avec l'appui des mouvements qui, qui, appuient au niveau de, la commune le président de la République, comme le mouvement MBS de M. Amadou Diaga, mais aussi les jeunes de la cité, euh, comme l'ASC de la sicambao qui est là avec nous depuis le matin, qui, sont, qui s'investissent pour que la Sikambao soit propre. Mais au-delà de l'ASC Sikambao, nous avons les jeunes du Fora qui nous accompagnent, mais les jeunes de, tout le quartier, du, du, Fora ici qui sont là, vous les voyez, tout le monde s'implique pour que la journée soit vraiment euh, magnifique, pour que la cité soit propre euh, et que tout le monde soit content. Parce que n'oublions pas que c'est le président de la République qui l'a instruit, mais c'est dans notre intérêt, nous aussi, pour que notre quartier soit propre, parce que c'est la santé qui, euh, qui, prévale euh, pour, euh, pour vraiment qu'on vive en paix avec la propreté. waaw dañu wuy cité tey ci président de la République Nous kat moom pour que clinique day ku si sa gox fi nga sa place nga yem foofu ait di set setal sa quartier ñun tamit tey au niveau de notre quartier suñu quartier fii tey ñëpp a jóg ñun ñëpp jóg nañu ànd ci loxo suñu ku nekk téye sa loxo morom ñu jàppale suñu suñu bopp ñu balee suñu quartier pour que quartier bi set wicc et que ku ko gis rek bëgg a nekk Sicap Mbao donc euh, ci kaw loolu boo gisee tey euh, mbooloo mi di nga xam ne ñëpp génn nañu waa ASC Sicap Mbao ñu ngi fii waaye nag am na ay mouvement yu jàppale président ci politique bi ku mel ni MBS bu jaaga mu ngi fii moom ak délégation mais aussi euh, xale yi fooraa yi ak xale yi ñi nekk fii si ngooñ bi di jaay paay bi ñoom ñëpp génn nañu pour ñu jàppale ñu ko wax dëgg yàlla suñu bërëb bi nag wax dëgg yàlla mu set pour que ñëpp kontaan ci loolu. xanaa kontaan ci lool président wax dëgg yàlla nag ñun lay liggéeyal parce que la nee setal kooku yow la la bëggal parce que ñu xam nañu nekk wér-gu-yaram ci set la bokk donc bu ñu waxee ni ku ci nekk na nga dem sa na nga yem sa gox nga setal sa gox.